nombreux à nous suivre sur les ondes de nos radios partenaires. Il vient d'être 11h à Niamey et partout au Niger. Fidèles auditeurs et amateurs de l'émission Le Niger sur Kalangou, bonjour et merci de nous recevoir dans le numéro de ce jeudi 8 juin 2023. Au micro, c'est Rukaitou Abdurrahman et moi-même Fanta Chamsou. Bonjour Ruki, comment tu vas Bonjour Fanta, je vais très bien. Et de l'autre côté de la régie, vous avez hein, Mina Hassan à la technique et Rahila Toussoumana à l'édition. Alors Ruki, quel est le programme de ce matin Fanta, comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information et notre invité du jour, il s'agit de Mamadou Dandare. Il est photographe et promoteur de Light On. Et aujourd'hui, nous allons offrir à nos fidèles auditeurs la musique des artistes locaux qu'ils vont sûrement apprécier. Ensuite, dans la rubrique Écho des régions, nous serons à Dogondouti dans la région de Dosso pour parler éducation. La chronique Loti sera au rendez-vous avec les femmes du studio Kalangu ainsi que la culture linguistique. Et c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Fidèles, fidèles auditeurs, tout de suite, le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Mokhtar, bonjour. Bonjour euh, Ruketo Abdraman, bonjour euh, Fanta Shamsou. Flash à présent. En prélude aux élections législatives partielles de la diaspora, la 9e région du Niger est dans le souci de mener à bien euh, ses préparatifs. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Niger, a organisé hier 7 juin à Niamey une formation à l'intention des commissaires des élections. Selon Maître Issa Kasuna, président de la CENI, ceci afin de mieux cerner les enjeux de ces scrutins qui auront lieu le 18 juin prochain dans 15 pays, dont 12 en Afrique, 2 en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Santé à présent, les contractuels euh, du centre hospitalier régional euh, de Maradi en appui dans euh, les centres de récupération nutritionnelle Créni ont entamé une grève de 7 jours depuis dimanche. Néanmoins, ils assurent le service minimum. Les agents réclament le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire cumulé. Selon le journal Le Souffle de Maradi, ils sont 45 signataires de cet arrêt de travail et dont des médecins, des infirmiers, des hygiénistes, des superviseurs, plus leur chefs d'équipe coopération à présent, à la République fédérale, la République populaire de Chine a annoncé hier un nouvel investissement d'environ 300 millions de dollars US pour le mois de juin au Niger. Selon l'ambassadeur accrédité au Niger, Jiang Fang, cet investissement est le fruit du forum Chine-Niger tenu à Niamey au mois d'avril passé. Il a ajouté qu'une équipe d'inspection chinoise chinoise est déjà arrivée à Niamey euh, pour euh, la rénovation du stade général Seni Kunche et que la société chinoise est en train de, suivre, de poursuivre euh, les travaux du barrage de Kandaji pour pouvoir accomplir ce projet dans les meilleurs délais. Et c'est tout pour le flash d'information de ce jeudi 8 juin 2020. 23. Merci Mokhtar et à très bientôt dans une prochaine émission. Pour rappel, notre invité est Mamadou Dandare. Il est photographe professionnel et promoteur de Light On. Bonjour Mamadou. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ce matin. Bonjour Mamadou. Bonjour. <laughs> Donc euh, avant d'entamer notre discussion, nous allons d'abord faire une pause musicale avec le morceau Éducation de l'artiste Tambaliou. promotion de la femme et à la protection de nos enfants. Pour la promotion de la femme et à la protection. Garbadi Abdou Tambalio, artiste musicien nigérien né le 13 mars 1968 à Zender. Il commence la musique depuis le collège. C'est l'un des pères fondateurs du groupe Haske avec le dauphin Sani Boussa, l'un des groupes les plus populaires du Damagaram. Et ce n'est qu'après le décès de son ami qu'il forme le groupe Jagaraya Band de Zender, qui compte à son actif trois albums. Il y a les

pour faire équilibrer les décida et restons fidèles à nos partenaires et restons fidèles à nos partenaires. L'enfant analphabète est un esprit sous-alimenté. L'enfant est l'espoir de demain. sommes de retour avec notre invité. Je rappelle qu'il s'appelle Mahamadou Dendare. Il est photographe professionnel et promoteur de Light On. Bonjour, rebonjour. <laughs> Rebonjour. <laughs> Alors, dites-nous comment en êtes-vous venu à la photographie ah, C'est une longue histoire que je vais essayer de résumer. Mhm. Euh, la photographie, j'ai trouvé goût depuis que je pense j'étais au primaire. Euh, j'ai un cousin qui avait euh, un appareil photo argentique, les appareils photo d'avant mhm. où c'était avec les clichés qu'on l'avait. Son père le lui avait amené, je pense, de Libye. Donc euh, c'était pour lui, mais la majeure partie du temps, l'appareil était avec moi. J'étais celui qui aimait le manipuler. Je faisais les photos et comme on était à en ce moment, oreille était vraiment le centre de la photographie. il y avait euh, beaucoup de photographes. Tout, à fait, tout à fait. Donc, euh, il y avait un grand frère euh, qui nous a un peu initiés, nous a montré un peu le cadrage, comment faire certains réglages. Donc, c'est parti de là. Après, l'appareil était gâté. J'ai perdu le fil que j'ai retrouvé un peu au lycée, mais plus quand je faisais mes études au Burkina Faso. Euh, parce que quand je faisais mes études là-bas, je, suis fan de technologie, donc... Euh, Est-ce que vous avez étudié la photographie Non, non, non, je n'ai pas étudié la photographie. Ah. Euh, mais j'aimais avoir les, euh, les derniers téléphones que je pouvais me permettre. Donc, si par exemple le dernier téléphone est sorti de Samsung, je pouvais avoir une à deux générations moins parce que c'est ce que je pouvais me permettre. Mhm. Et ça me permettait de faire des photos lors des événements. J'étais celui euh, dont tout le monde voulait les photos, donc je m'exerçais, ça me plaisait. Je pouvais sortir avec plus de 100 photos sur un événement ou des vidéos. Donc ça m'a permis de retrouver cet amour pour la photographie que je continuais à nourrir. J'ai profité aussi à euh, découvrir certaines choses euh, là-bas lors de mes études, mais donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la photographie. Plus je nourrissais de l'amour pour ça, plus j'en avais envie et je voulais faire carrière là-dedans. Ça date, Ça fait longtemps Ça fait au moins combien d'années ah, je sais pas, moi j'ai quoi j'ai 30 ans, donc le primaire, si on doit dire, euh, ça fait à peu près 20 ans. Mais comment est né Lighton Lighton est né, déjà avant c'était pas Lighton, c'était euh, Proconsul local. Donc euh, j'étais toujours à Ouaga, j'étais en master. Euh, bon, déjà en 2014, fin 2014, euh, j'étais devenu trop patriote, si je peux me le permettre. Donc j'ai arrêté d'écouter tout ce qui est chanson euh, qui n'est pas nigérienne. Donc déjà à partir de 2014, j'ai effacé tout ce qui est américain, français, etc. Je n'écoutais que de la musique nigérienne. Donc j'ai développé un certain amour pour le, pour le Niger et pour tout ce qui vient du Nigérien. Et c'est suite à cela que j'ai eu l'idée alors de d'allier passion, compétence à, à pouvoir aider euh, le Nigérien, surtout les entrepreneurs nigériens. Et j'ai pensé à faire ce qu'on appelle Procons local, donc production et consommation locale. Mhm. Donc avant Light ça s'appelait comme ça Procons local. Et c'est venu plus <clears throat> d'un livre que j'ai écrit à l'époque euh, je pense que je l'avais commencé quand j'étais en Master 1, je l'ai fini après ma soutenance. Donc, ce livre aussi s'appelle Halte à la consommation. C'était, plus euh, pour être, euh, pour pouvoir aider les gens. Donc en ce moment, je me suis rendu compte, bon, pour le local, ça fait un peu cliché, c'est un peu long, il faut quelque chose de plus impactant, de plus direct, euh, de plus remarquable. Donc c'est en ce moment que j'ai créé Light On pour pouvoir toujours, dans le même but, euh, offrir... Euh, une solution pour les entrepreneurs et les aider à se faire voir, à vendre et à faire ce, ce qu'ils aimaient faire comme moi c'est comme ça qu'est né On. Est-ce que, est que vous vous en sortez Light On, oui, je m'en sors. Je m'en sors pas. <laughs> ben écoutez, moi je pense que <clears throat> s'en sortir, ça a plusieurs connotations, d'accord euh, Pour moi, sincèrement, là je m'en sors. Je vous raconte pourquoi. J'ai commencé Light On, on va dire bon, depuis Proconce local. C'était avec un téléphone. Les gens disent on n'entreprend pas à partir de zéro. Moi, je peux dire que j'ai entrepris à partir de zéro. Mhm. Parce que j'avais l'idée, je voulais me lancer, j'avais pas d'appareil photo euh, numérique. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, c'est avec ça que j'ai commencé. Mhm. C'est avec ça que j'ai commencé. Donc, euh, quelqu'un qui commence avec un téléphone, aujourd'hui, il se retrouve avec plusieurs caméras numériques, un studio fonctionnel, et, euh, plusieurs programmes en vue. Donc je m'en sors. Voilà, Dieu merci. Donc euh, merci Mamadou. Avant de continuer, nous allons, nous allons encore faire une autre euh, pause musicale et vous laisser souffler entre-temps avec la troupe euh, qui chante Munjo. chansons populaires de la région de Tilaberi, rendues célèbre par l'artiste Munkaila Yakuba et sa troupe qui qui, a brillé sur scène lors de grands événements culturels, notamment la fête nationale de la jeunesse. Et c'est d'ailleurs cette chanson qui lui valut le surnom de Munjo. Munjo qui en réalité est le nom d'un éleveur Peul de son village qui possédait beaucoup d'animaux. Et aussi les chanteurs de leur village lui ont dédié cette chanson. retour au studio pour la deuxième partie de notre discussion avec notre invité Mamadou Dandari. Alors Mamadou, tout à l'heure, vous aviez dit avoir plusieurs appareils numériques. Et d'où vous vient le financement C'est un financement personnel Bien, <clears throat> on, va dire que c'est un financement personnel, d'accord Bien étant que euh, le, premier appareil numérique, euh, c'est un ensemble en fait Dieu merci, euh, je pense que mon père m'a prêté de l'argent. Est-ce que je l'ai payé ah <laughs> Donc, il, m'a prêté de l'argent. Oui, il m'a donné. Il faut que je lui demande encore. Ça remonte à quoi Un peu plus de deux ans peut-être. Et en, en, ce moment, il y avait mon livre que, qui était paru, que j'ai vendu. Bon, j'avais décidé de miser sur l'apparition du livre parce que ça me tenait à cœur. Et les recettes, c'était pas énorme, c'est vrai, mais les recettes, c'est ce que j'ai pris encore pour augmenter à ce que j'avais reçu de mon père euh, pour payer l'appareil. Bien, bien sûr, ça n'avait pas suffi. Il a fallu que, euh, après, je cherche d'autres revenus bien sûr, je continuais à travailler avec mon, mon téléphone. Ça m'amenait des petits trucs que je partais déposer. C'est comme ça que j'ai eu le premier. Les autres, c'est, on va dire, c'est personnel, c'est light on en fait. Donc mhm. dès qu'il y a une entrée, euh, on est plus dans une construction. Donc tout ce qui vient, on investit. Tout ce qui vient, on investit. C'est comme ça qu'on marche. À part ça, il n'y a aucun autre financement. Alors dites-nous, vous faites euh, <clears throat> quel genre de photographie et euh, quelles sont vos cibles Alors, comme j'aime le dire, je ne suis pas chinois, mais j'aime imiter les Chinois, d'accord <clears throat> Alors, on fait tout type de photographie Partout où il y a besoin d'images, on le fait. Pourquoi Parce que euh, déjà, c'est vrai que la photographie est, euh, comment on appelle ça, est segmentée. Il y a la photographie de produits on en fait pour mettre en valeur un produit. Il y a, la photographie euh, privée, personnelle, les gens qui ont besoin d'avoir une belle photo en se faisant belle, etc., etc. On fait cela. Il y a la photographie d'événements. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'événements. Euh, il y avait événements musicaux, on, on, couvre des séminaires, euh, on couvre des formations. Donc, Dieu merci avec euh, cette expérience que j'ai eue à Ouagadougou, et euh, quand je suis revenu à Niamey, je ne me suis pas focalisé sur un seul type de photographie parce qu'il fallait que j'apprenne, fallait que je découvre certaines choses. Donc, ça m'a donné les capacités nécessaires pour pouvoir euh, couvrir tout type d'événement en sachant que tel événement, on veut tel type de photo, tel événement, c'est plus tel autre type de photo qui le met en valeur. Donc, on fait tout ce qui est photographie et je pense qu'il y a un deuxième volet dans la question. Oui, est-ce que vos photos sont accessibles ah, Par exemple, moi, avec mes 100 francs, est-ce que je peux avoir une pause <laughs> C'est un ah, exemple. Question là, on dirait que vous avez répété ça. D'accord. <laughs> Alors, avec vos 100 francs, bien sûr que vous allez avoir une photo, mais vous allez devoir payer le reste après. Ah. Nos photos sont accessibles. Bien sûr, euh, je le répète, je ne suis pas chinois. Mais écoutez, les photos sont accessibles. Pourquoi je dis ça Parce que déjà, il y a plusieurs euh, types de photos, comme je l'ai dit. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de clients. Les gens n'ont pas la même bourse, mais euh, du moins jusqu'au privilégié, quand même, on peut, on peut satisfaire cela. Est-ce que vous êtes nombreux à Lighton à travailler hmm. À Lighton, on n'est pas nombreux. On va dire qu'on est peut-être deux permanents. Il y a, on a des, des partenaires avec lesquels des fois on travaille quand ça le demande parce qu'il y a euh, des boulots où voilà, seul ou à deux, ce n'est pas possible, il faut aller à plusieurs. On a euh, des gens qui viennent apprendre aussi à Lighton, donc au besoin, des fois on fait appel à eux. Donc voilà comment on est à Lighton. Voilà, moi, euh, avant de finir avec vous, <laughs> Ce que je veux savoir, parce que vous avez évoqué l'aspect de l'écriture, vous écrivez aussi Tôt. On va dire j'écrivais parce que euh, sincèrement, ça fait des mois. Waouh, est-ce que ça fait même pas un an ah. que j'ai pas vraiment touché mes livres qui sont euh, en écriture. Parce que Light On me prend beaucoup de temps. Des fois, j'ai. Donc, à part celui qui a été publié, il y a beaucoup À part celui qui a été publié, il y a au moins deux qui sont en cours dont le tome 2 de celui qui a été publié et un autre qui est plus un roman, euh, parce que celui qui a été publié, c'était un essai. Où, où, je, où, je, dis ce que je pense par rapport à la consommation locale, par rapport à euh, la relation qui existe entre l'Afrique et l'Occident, etc. J'espère vraiment qu'on aura encore plus de temps pour euh, revenir en parler. D'accord, j'espère bien. <laughs> On vous dit donc merci. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Ah, c'est fini déjà Ah, c'est fini. <laughs> on ne peut pas augmenter 10 minutes, tantôt? Non. Bah. Chers auditeurs, on fait une petite pause et on revient tout juste. Voilà, chers auditeurs, c'est parti pour notre rubrique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous recevons Ousmane Mamoudou et avec lui, nous allons discuter de l'une des questions les plus cruciales dans notre vie numérique, la sauvegarde de nos données en ligne. Que ce soit nos photos, nos documents importants ou même nos souvenirs précieux, il est essentiel de prendre des mesures pour les protéger de la perte ou de la suppression accidentelle. Alors, Ousmane, pourquoi est-ce si important Tout d'abord, bonjour à tous. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dépendants de nos appareils électroniques et des services en ligne. Imaginez que votre ordinateur tombe en panne ou que votre téléphone soit perdu. Ça peut arriver à tout un chacun et vous risquez évidemment de perdre vos données. Donc, toutes ces données personnelles pourraient être perdues à jamais si vous ne les avez pas sauvegardées correctement. Euh, et donc, c'est là que rentre en jeu la sauvegarde en ligne. Et eh, Ousmane, c'est quoi la sauvegarde en ligne alors, la sauvegarde en ligne consiste à stocker vos fichiers et vos données sur des ordinateurs, sur des serveurs distants. Un serveur distant, c'est tout simplement un ordinateur qui n'est pas localisé chez vous. Et donc, ces ordinateurs-là, ils sont très souvent gérés par des entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc, ça va vous protéger, ça va vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en cas de sinistre ou de vol ou de défense matérielle lorsque vous allez perdre votre ordinateur, il peut se casser, euh, il peut tomber dans l'eau, etc., etc. Donc, mais donc vous pouvez accéder à vos données depuis n'importe quel type d'appareil connecté à Internet, mais surtout pouvoir les restaurer en cas de besoin. C'est ça qui est le plus important. Mais euh, après, comment sauvegarder nos données en ligne de manière efficace Tout d'abord, identifier les fichiers et les données que vous considérez comme essentielles. Donc, il peut s'agir de photos de famille, de documents professionnels ou de fichiers importants. Ensuite, vous allez chercher des services de sauvegarde en ligne. Alors, des services de stockage en ligne, eh ben, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, mais les plus populaires que vous pouvez trouver, euh, je peux citer par exemple le Google Drive, iCloud d'Apple, ou le Dropbox ou Microsoft OneDrive. Ça, ce sont vraiment les services les plus populaires. Donc, mais ensuite, l'élément crucial qu'il faut vérifier, c'est que vous devez choisir un service de stockage qui utilise un cryptage fort pour protéger vos données. Le cryptage, c'est tout simplement une clé, une sorte de clé qui permet de protéger les informations en ligne. Donc, n'allez pas prendre une application qui n'est pas reconnue, qui n'est pas réputée solide pour protéger vos données en ligne. Et donc, le cryptage va garantir une sécurisation de vos fichiers. De plus, il faut vérifier les politiques de confidentialité et de sécurité du service de sauvegarde pour vous assurer que vos données sont bien protégées parce que souvent il peut y avoir des fuites de données, souvent il peut y avoir des problèmes au niveau de la confidentialité, etc., etc. Ce sont vos données personnelles, donc faites attention au service, euh, à la qualité de service que vous allez utiliser. Une fois que j'ai choisi mon service de sauvegarde, je fais comment alors mais une fois que vous avez choisi le service que vous allez utiliser, donc maintenant, on passe à l'étape de la planification. Donc, il vous faut une planification régulière de vos sauvegardes, euh, qu'elle soit réalisée de façon automatique. Par exemple, pour ceux qui utilisent beaucoup WhatsApp, vous savez qu'il y a, euh, on peut choisir, on peut planifier de sauvegarder tous ces messages dans, dans une plage horaire donnée et selon que l'on soit ou pas connecté à un réseau Wi-Fi. Donc cette automatisation-là vous garantit que vos données sont sauvegardées régulièrement sans que vous ayez à y penser constamment. Je n'ai plus besoin de dire, ah, aujourd'hui, je dois faire ma sauvegarde. C'est fait de façon automatique. Et en plus de ça, il faut aussi penser à conserver des copies de vos sauvegardes locales sur des supports de stockage comme des clés USB, des cartes mémoire ou des disques durs, etc. Par exemple, moi, je le fais beaucoup pour, pour mes contacts il peut y arriver euh, que je change de téléphone, mais j'ai toujours une copie de la sauvegarde de tous mes contacts dans une carte mémoire. Et ça aussi, c'est très facile à réaliser. Vous pouvez partir sur YouTube, trouver des, des tutoriels, il y en a pas mal qui les expliquent. Donc cela vous offre en fait une double protection en cas de problème avec votre sauvegarde en Et voilà, chers auditeurs, quelques conseils clés pour la sauvegarde de vos données en ligne. Un dernier mot, Ousmane. Rappelez-vous Surtout que prévenir la perte de vos données est bien plus simple que de tenter de les récupérer. À la semaine prochaine. Merci Ousmane et bonne journée à vous. Nous allons encore marquer une pause pour souffler en musique avant de retrouver notre rubrique reportage des régions. Écoutons Rabé Maïgourmi. Abe Waziri Maigourmi a commencé sa carrière musicale en 1983. Son groupe, composé de cinq musiciens, utilise les instruments traditionnels tels que le kalangu et le gourmi. Rabé Maigurumi est issu d'une famille des griots. Il chante les louanges du sultanat, des forgerons et des bouchers. Il chante aussi contre la prostitution, contre la prostitution et pour l'amour. Très connu dans tous les quartiers des Enders, son groupe est invité lors des cérémonies de baptême et de mariage. Rabé gourmis fidèles auditeurs, j'espère que vous avez apprécié. Direction à présent à Dosso de notre rubrique Écho des régions pour parler éducation. Viruki, on atterrit à Douti où notre correspondance s'est intéressée au sujet du niveau des élèves que beaucoup estiment en baisse comparativement aux années antérieures. La responsabilité se situerait à plusieurs niveaux selon les personnes interrogées dans ce reportage de Hassan Abdou Arzika. Ces dernières années, les acteurs du système éducatif ont relevé un problème dans l'enseignement. Beaucoup d'entre eux affirment une certaine régression du niveau des élèves, des responsabilités qu'ils estiment partagées. D'abord, du côté des élèves. Le manque de niveau des élèves est une actualité dans notre pays et donc c'est dû notamment avec les, les téléphones portables, ça les distrait. Il y a aussi les excitants qu'ils prennent. Il y a même des élèves de collège ou même de lycée qui ne peuvent pas s'exprimer bien en français ou même écrire une phrase correctement en français parce qu'ils ont eu une mauvaise formation. Aujourd'hui, les élèves ne veulent pas travailler. Pour lire, le plus souvent, leur temps sont consacrés donc aux portables, aux réseaux sociaux. Ces élèves voient leurs aînés qui sont nantis de diplôme et qui sont au chômage. Et là, ça démotive. Par ailleurs, certains pensent que le manque de motivation chez les enseignants, surtout les changements de programme pédagogique, pourraient expliquer cette situation. Au niveau des enseignants, bon, je dirais que c'est la perte du goût pour l'enseignement. Donc, euh, les enseignants n'ont plus cette euh, euh, vocation pour l'enseignement, si bien qu'aujourd'hui, on constate que la plupart du temps, ils le consacrent à des grèves, mais ça aussi, c'est à leur corps défendant, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'ils font cette grève-là. Donc cette grève vraiment a un impact négatif aussi sur le niveau des élèves. Au niveau des enseignants, c'est cette démotivation-là quoi qui est là. Imaginez quelqu'un qui vient, qui est en train de dispenser son cours. Et maintenant, il est en train de se demander à descendre maintenant, qu'est-ce qu'elle va manger euh, un contracteur qui voit que son collègue avec qui il enseigne la même matière arrive à gagner deux ou bien trois fois maintenant ce qu'il gagne. Vous voyez, c'est démotivant il y a aussi ce qu'on appelle les changements à fait de programme. Surtout quand vous prenez au niveau de l'école primaire. Même au niveau, en va supérieur, même les conseillers, les inspecteurs eux-mêmes, <laughs> ils ne m'intéressent même pas ce programme. À plus forte maintenant, à ceux qu'ils forment maintenant, les enseignants qui sont sur leur... Et là, ça agit beaucoup sur le rendement scolaire. Elias Soussani, parents d'élèves et Ataïru Yahya, professeur de français au lycée Kabarin Kabara de Dogondouchi, indexe l'État. Depuis quelques années, on a constaté un abandon ou bien un manque d'intérêt de l'État par rapport au système éducatif. Au niveau des parents, le plus souvent, tout au long de l'année, on ne s'intéresse pas à ce que fait l'enfant à l'école et il faut attendre jusqu'à la fin de l'année. Il y a au niveau de l'État ce qu'on appelle les changements en fait de programme. Surtout quand vous prenez au niveau de l'école primaire. À chaque fois, programme rénové, programme rénové. Imaginez. Mais l'enseignant, déjà l'enseignant là où il est quoi hein? On ne lui demande pas suffisamment de temps pour pouvoir maîtriser ce programme et on change maintenant. On a constaté que les parents d'élèves, en fait, ne suivent pas leurs enfants à la maison. Cependant, l'implication davantage des parents pourrait améliorer un peu le rendement des enfants à l'école, déclare Ilia Soussani, parent d'élèves. La solution la plus urgente pour régler ce problème, il y a tout d'abord les parents. Les parents qui doivent soutenir leurs enfants et aussi aider leurs propres enfants à la maison à mieux comprendre le cours parce qu'on sait, c'est pas évident que les élèves comprennent tout ce qu'on leur dit à l'école. Néanmoins, en améliorant les conditions de vie et de travail des enseignants et le suivi des élèves à la maison, le système éducatif nigérien pourrait retrouver ses lettres de noblesse. Hassan Abdou Arzika, notre correspondant depuis Douti, qu'on retrouve d'ailleurs en ligne. Bonjour Hassan. Bonjour Fanta J'espère que vous allez bien depuis Douti. Ah, je vais très bien, nous sommes tous en bonne santé ici à Douti. Et vous Super, ça va, Alhamdulillah aussi. <laughs> Voilà, nous venons d'écouter votre reportage qui a d'ailleurs fait le tour de presque toutes les causes hein, liées aux baisses de niveau scolaire à Douti. oui. Ma question c'est est-ce qu'il y a des raisons particulières qui vous ont poussé à réaliser ces reportages Ah oui, les raisons, elles sont particulières comme vous l'avez dit. Donc, euh, nous avons constaté, parce qu'on rapproche toujours les élèves, euh, surtout, le, comment on appelle ça, leurs bureaux, les bureaux exécutifs, les différents syndicalistes, ceux qui dirigent même les scolaires ici à Dogondouchi. Mhm. Et vous allez voir que ces leaders-là ne peuvent pas vous faire une bonne phrase en français. Mm. Alors que c'est les leaders de demain. Raison pour laquelle nous nous sommes dit nous allons faire ce reportage pour vraiment attirer l'attention de l'État, mhm. attirer l'attention des parents et même les enfants pour qu'ils sachent que vraiment, c'est l'éducation vraiment qui est le socle de développement d'un pays. En espérant que c'est tombé dans les oreilles de qui des droits. <laughs> <laughs> Euh, merci pour ces précisions et nos salutations à ceux qui nous écoutent du côté de la région de Dosso. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, à vous aussi. Alors, euh, chers auditeurs, on fait une petite pause et on se retrouve pour la page sport. Place à présent à la page sport avec euh, notre chroniqueur Gourouza Hasmi. Bonjour Gourouza. Bonjour Ruki, bonjour Fanta. Bonjour tonton Gourouz. Très bien. Alors, euh, l'équipe U23 se prépare avant son départ pour le Maroc. Oui, Fanta, les poulains du Zakriaou Ibrahim ont joué d'ailleurs hier après-midi un match de préparation avec euh, la sélection régionale du Niamey. Le score était de 3 buts à 1 en faveur de U23. Cette rencontre euh, a d'ailleurs permis au staff technique de se corriger avant leur départ pour le Maroc. Après la mise en jambe des guerriers du Niger, à Niamey, l'équipe MENA U23 quittera le Niger pour le Maroc où l'équipe jouera d'ailleurs un à deux matchs amicaux avant la compétition en finale. L'objectif euh, des Nigériens U23, c'est d'être parmi les deux premières nations pour pouvoir se qualifier aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Alors, Gourouza, la Coupe nationale se dessine à l'horizon. Oui, Ruki, euh, euh, ça va se jouer le samedi 10 juin au stade général Séné de Niamey entre l'AS Garde nationale, leader de la Super League, et le deuxième, l'AS Douane. Pour cette euh, confrontation, il faut bien noter, entre ces deux clubs, l'enjeu est double et l'objectif, remporter la Coupe et participer à la Coupe CAF la Confédération africaine de football la saison prochaine. Ça sera un match choc et déterminant pour les deux équipes car Garde euh, souhaite faire un doublé cette année. Pendant ce temps, l'AS tentera d'arracher ne serait-ce qu'un titre cette année. Voilà, c'est tout pour le soir. Merci beaucoup, Guruza Ruki, on passe au portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons à Maradi pour découvrir Leila Mati. Oui, très investie dans son métier, l'enseignement, Leila Mati lutte contre la démotivation des élèves. Mohamed Maman est allé à sa rencontre. Voici son portrait. Enseignante de carrière à l'école Adarawa dans la commune rurale de Giratawa, Leila Mati a aussi un BTS en administration. Et c'est justement en préparation à ce BTS que l'idée lui est venue d'apporter sa contribution contre la démotivation qu'elle voit chez ses élèves. Je suis arrivée à un chapitre là qui parlait de démotivation. Euh, le temps qu'on passe avec les enfants et tout ça là, les observations et tout ça là, c'est là que j'ai compris que vraiment les indicateurs là qu'on voit chez ces enfants là reflètent bien la démotivation. C'est là où l'idée m'est venue. Partant de là, j'ai commencé à voir comment on peut toutefois élaborer quelque chose. Démotivation, c'est traduit selon elle par le retard à l'école, la non-maîtrise des cours et aussi des exercices de maison non assimilés. On devrait leur redonner goût à l'école pour qu'ils puissent aimer l'école, vouloir de l'école et avoir des raisons pour étudier. L'enseignante élabore des plans d'action afin de motiver les jeunes scolaires, surtout les filles. Il y a un projet qui est là. On est en attente des soutien de nos autorités, de nos partenaires et tout ça là pour pouvoir continuer en tout cas à la réalisation de nos activités. Parmi tant, on a eu à réaliser deux. Il y a d'autres qui sont là. Il y a une compétition qui est prévue, compétition entre les écoles. On prévoit des bibliothèques mobiles pour la lecture. On prévoit aussi des cours de renforcement. Leila a mis à profit la cérémonie de remise de bulletins à l'école le 20 février dernier pour sensibiliser les parents présents à accompagner les études de leurs enfants. Voilà c'était euh, le portrait de Leila Mati avec Mohamed Mamman. Ruki, faisons un dernier tour musical pour écouter Lilo Alelewa de Maman Barka. halile walilo Allah ka Allez les de Maman Berka. Fidèles auditeurs, on passe à présent à la rubrique Loti. Et restons toujours dans le registre de l'éducation des enfants, mais cette fois-ci dans le cercle familial. En effet, il incombe aux deux parents, si possible, d'éduquer les enfants sans préférence ni exagération. Enfin, c'est ce qui ressort de cette discussion de la chronique Loti avec Samira Rafi et Zainabou Abdou affairage, affairage, affairage, affairage. Bonjour petite soeur, comment tu vas Ça fait longtemps, toi on te voit que lors des cérémonies vraiment. Je vais bien grande soeur, Dieu merci. Vraiment désolée, entre le boulot et les enfants, c'est un peu compliqué de trouver le temps d'aller rendre visite à la famille. Tu as parfaitement raison. Alors dis-moi, comment vas-tu ainsi que les enfants et leur père Ils vont bien, ils vont tous bien, Wallah, Dieu merci. Tu sais grande soeur, si tu as un peu de temps libre, j'aimerais discuter avec toi afin de bénéficier de tes précieux conseils. D'accord, il n'y a aucun souci. Mettons-nous dans un endroit calme. En fait, j'ai un sérieux problème avec mon mari. C'est-à-dire, peux-tu m'en dire un peu plus En fait, mes enfants sont plus importants que moi aux yeux de mon époux. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose pareille Je n'ai dit que la pure vérité. Alors explique-toi pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à cause de mon mari, à peine les enfants me respectent. C'est uniquement quand il n'est pas là que j'ai un tant soit peu la maîtrise de mes enfants et de mon foyer. J'avoue que je ne comprends rien. Sois beaucoup plus explicite. D'accord. Figure-toi que selon mon mari, je n'ai aucun droit de demander à mes enfants d'effectuer certains travaux. C'est moi qui devrais tout faire. Et pire, quand je veux lui parler, et qu'en même temps les enfants lui parlent, peu importe l'importance du sujet, il faut d'abord qu'ils finissent avec les enfants avant de m'écouter. Non, toi aussi, ne me dis pas cela. Quel intérêt aurais-je à te mentir Je suis étonnée de ce que tu me racontes vraiment. Pourtant, c'est exactement ce que je vis. Mais as-tu essayé d'en parler avec lui J'ai plusieurs fois essayé de discuter avec lui. Mais figure-toi qu'il m'a tout simplement dit que j'aimais juste exagérer les choses. C'est vraiment incroyable ce que tu me racontes. Pourtant, ton mari n'a pas l'air de quelqu'un qui peut avoir ce comportement que tu décris. Justement, c'est là le plus gros problème. C'est pourquoi je ne pense même pas à en parler à quelqu'un d'autre, parce que c'est très difficile à croire. Et pourtant, tu dois résoudre ton mari car ce comportement risque de faire en sorte que vous ratiez l'éducation des enfants. Tout comme les enfants ont des droits sur lui en tant que père, toi-même tu as des droits sur lui en tant qu'épouse. C'est ce que je me tue à lui dire. Mais en vain. Ton mari ne sait-il pas que le fait de se comporter ainsi pourrait faire en sorte que les enfants ne te respectent pas Cela même pourrait faire en sorte qu'ils commencent à penser que leur père les aime plus que toi. Et cela est un grand problème. Cela est déjà arrivé. Hein. Imagine-toi quand il n'est pas là. Les enfants sont tellement dociles et obéissants. Mais dès qu'il met pied à la maison, impossible de leur faire faire quelque chose parce qu'ils partent directement se réfugier derrière lui, comme si en son absence, je l'ai maltraité. Vraiment, la seule solution à ton problème, c'est d'appeler les anciens et de leur présenter ce problème. Car là, c'est l'éducation de vos enfants qui est en péril. Refuser que tu demandes aux enfants de faire certaines tâches, je peux le comprendre. Mais te relayer au second plan devant eux, cela est inacceptable. Dès demain, tu devrais convoquer une réunion avec les anciens. Merci pour ce précieux conseil, grande sœur. J'aurais pu faire n'importe quoi sans t'avoir parlé. Je le ferai vraiment, car il faut pallier ce problème. Je t'en prie, ma petite sœur, je suis à ta disposition. chers auditeurs, c'était le loti du Desk Femme du studio Kalangu. À présent, la culture linguistique et c'est avec Nyali Abdelmoumouni. Bonjour Nyali. Euh, euh, pour la culture linguistique euh, de ce jour, nous avons retenu pour nos auditeurs et nos auditrices la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte parce que nous voulons rester dans l'actualité. Et rappelons qu'un forum sur ce projet s'est tenu au cours de la semaine ici à Niamey en République du Niger. La Grande Muraille Verte créée en 2005 est un vaste programme pour contrecarrer l'avancée du désert dans la zone du Sahara et du Sahel. Onze pays gravitent autour de ce grand projet. Le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Soudan, la République de Djibouti, le Nigeria, le Tchad et la Mauritanie. Ce projet consiste à une plantation d'arbres certes, mais également il consiste à la mobilisation des eaux souterraines, pluviales et de surface. Et ceci afin de permettre aux zones les plus arides de devenir des zones de production avec des populations plus résilientes. Eh bien, au Niger, sur les 266 communes que compte le territoire, 228 communes sont concernées par ce projet. an fulfulde pour la grande muraille verte nder fulfulde eɗen mbawi tindinirde kongol indirangol grande muraille verte nder francir mbiyen duni fa handen ko ɗum sigila durwude noon ko watta tenere gonɗo no ñama warda e himɓe leyɗe sahel kam fu e leyɗe sahara ɗe endan ko watta mosola majjum heɓu sigila o endan ni hitano duuɓi ujuna ɗiɗi e joyi o dawra omo ƴeewa duni fa handen leyɗe sappo e go'o Lady niger Lady burkina faso Lady mali sénégal Chad, nigeria Lady habasha Lady Lady ethiopie Lady djibouti et Lady mauritanie Der durogo sigila o enden ni tawra leɗɗe en awete ndiyan duni fa hannden no durwete himɓe keɓa ɗum fa ko watta ɓe demi sahara na nder tenere o enden to tawa Oni niger de en do dow communiji muɗum keme ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeegom e laso e sigila o e voilà donc ce que nous avons retenu pour aujourd'hui Miette nyali pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa en germain, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez surtout pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Je répète 82 89 89 64. Écoutons à présent le message de nos auditeurs. Ni ne Alhaji Yarima wanda an sani shi mai ne kwana sallah ni ne. Ina sauraren ku hillanci da buzunci da zamarwanci da Hausa duk za a yi. Lalle abin naku matakar yana da buɗe kan mutum. Amma abin da muke so da Allah an so samu ne a mana a barbaci. Kun san mu jihar mu na difa fadi yawanci duk barbaci nan jihar mai ya yawa. ni ne hassan muhammad tayar dogon dutse bisa ga haraka ta studio kalangu mu gaba ta kai mu faduwa ta tazo daidai da zama me yasa ni ce hakan ga gaskiya duk emission kin da suka yi ka gani sun ɗebe haki su haɗi da horanci su haɗi da hausa su haɗi zaranci su haɗi da hillanci su haɗi da buzanci alhamdulillah kuma duk abin da aka cikin Niger studio Kalangu in baka saurara na an zarkin nan ba midi ka na disatar sabon duka kowane labari kana samu kuma surtu labarin da ga kara matsamin saurari cikin studio kalangu sensibilization waye kai kuma da bisa ga haraka ma'aikatan hannu suna interview suna kula da ma'aikatan hannu da yawa sunana madam suleiman ramatu mama aljari ni mabuciya ce ta kallon studio kalangu studio kalangu gaskiya babu abin da za mu ce mishi sai godiya muna fata allah kara kama musu ko saboda suna ba mu kwarin gwiwa kuma suna ba mu gudunmuwa kwarai bisa kan balantana bisa kan mata mu mata suna shirye-shirye fuskan mata suna waye mana kai muna koya abubuwa da yawa saboda yau mata mu ne ginshiƙin rayuwa kenan aka waye mana kai muka san wani abubuwa ko komi yana iya tafiya yadda ya kamata c'est Boubacar Mekigudu, maire de la commune urbaine de Dogondouchi. C'est que nous qui sommes ici à l'intérieur, nous n'avons pas de disposition, par exemple, comme la télé nationale ou la radio nationale. Donc, euh, c'est Studio Kalangu qui porte loin nous voient. Et donc, euh, pour ça, vraiment, nous les remercions parce que certaines de nos activités ou de nos actions sont vraiment diffusées à travers Studio Kalangu et ça donne un caractère national à, euh, ces, ces activités-là. Donc, vraiment, pour nous, ça, c'est très important. Euh, aussi, il y a des, le choix aussi des thèmes qu'ils débattent parce que nous aussi, nous nous enrichissons des autres émissions de Studio Kalangu qui sont faites dans les autres localités. Donc ça, c'est comme un échange d'expérience à travers le studio de Kalangu. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. On dit merci à nos auditeurs pour ces retours très encourageants. Rocky, on fait une dernière pause en musique. Ça sera Ferroni de Djorodi. Moguninho Que nos aviga Ai seguir aí sinda agora Baby de sou Masui é hata Sekeji Sekeji Amini é hata Someji Someji Winazambaki Masui é hata Some sanki Kuye Pondo kuwa Arina Seke pehoni Nawiki amana Yabar mutare yanayoboa soyayya ta ginawa Tumiyaw di ka arena arena Ni ibinawa Mama så ge feroni Le vaccina mm. qui se dina Et je te ni mm. non bébé et pour la vie Car ta tid är tro och leve Qui som den ni Et non så jag jag nema så jag jag Qui som dina vachi Come to me lady lady Give me your heart Notre amour qui se récréne Tu vois nos cœurs se heurtent Kiffe la mélodie Laisse pas glisser sur ton lélé Mélodie Onde samba cantar, se lhe sempre chers auditeurs. Sur séance du à bientôt, hein, Ruki. Oui, merci à l'équipe qui nous a accompagnés. La technique est assurée par Amin Hassan et l'édition par Rahila Toussoumana. Si vous êtes à table, très bon appétit à vous.